Merci, merci de rester fidèle au programme de Dakar Actu. Très ravi de vous retrouver donc sur euh, la chaîne euh, d'information. Bienvenue. Et comme vous êtes en train de le voir sur les images, nous sommes euh, ici au niveau du ministère de euh, l'intérieur où euh, se tiendra dans un instant donc la passation de service, une passation de témoins entre le ministre sortant, Mohamed Mahtar Sissé, et euh, celui entrant, à savoir donc euh, le général euh, euh, Jean-Baptiste Tine. L'heure donc est au préparatif hein, pour bien accueillir les autorités Et vous l'avez euh, sans doute compris. Ce matin, donc, euh, une passation de service s'est tenue au niveau de la primature entre le Premier ministre entrant, Ousmane euh, Sonko, et donc Monsieur M. Sidiki Kaba, qui jusque-là tenait les reines de la primature. Et dans l'après-midi, nous allons assister à la passation entre le ministre sortant, Mohamedou Mahtar Sissé, et donc euh, son successeur à la tête de ce département de l'intérieur, le général Jean-Baptiste euh, Tine, nommé récemment donc euh, ministre de l'Intérieur dans le nouveau gouvernement du Sénégal. donc M. Euh, monsieur Mamadou Mahtar qui a eu donc euh, l'honneur de euh, coordonner, hein, donc de veiller à la tenue de la présidentielle, une organisation parfaite, si on peut dire. Donc Mohamedou Mahtar Sissé a réussi à tenir euh, donc euh, une meilleure organisation de la présidentielle qui a abouti au, choix euh, de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, élu donc à la tête de la magistrature suprême Mohamedou Mahtar Sissé sera remplacé donc à la tête de ce département par euh, le général Jean-Baptiste Tine. Je l'ai dit tantôt, récemment nommé dans le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. date donc euh, du 5 avril dernier. Jean-Baptiste donc, qui fait partie des nouveaux membres du gouvernement, qui sont au nombre de, 30 ans, 30, 25, euh, euh, euh, on dirait même 30 ans, 25 ministres, 5 secrétaires d'État, et le Premier ministre Ousmane Sonko le directeur également du cabinet du président Marito Nyan. qui aujourd'hui donc forme les nouveaux membres du gouvernement. Après donc euh, euh, le régime de Macky Sall place donc au régime de son excellence euh, monsieur M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. am contentement Rendal, qui ci une euh, chaîne euh, leader votre chaîne d'information bi nga xam ne moo leen di peu à chaque fois que de besoin ngir di leen taataanal euh, xibaar yi de salaam va tey ñu ngi file filé nga xamné mom moy euh, le ministère euh, de l'intérieur département bi lé nak nga xamné kako jiite te fas yéene jébbal yi rek di Mouhamadou Makhtar Cissé danaka mom sax mo euh, euh piloter organiser li soxal djonganté euh, présidentiel yi ñu wess euh, ay fan ba ki nga xamné mom moy basirou Bassirou Diomaye Diakhar Faye dal di tok ci. bopp son excellence Moumel Ninek, Dona nag euh, doon ay euh, jongante présidentielle yoo xam ne euh, ci Sénégal organisé na ko donc mu doon nag ci ministère ki nga xam moi Mohamed mooy Mouhamadou Makhtar Cissé di jéego bu a démocratie sénégalaise tey nag moom moomee Mouhamadou Makhtar Cissé jëwriñ bi moo nar a jébbal euh, lengay euh, maanaam euh, makkan bi ministère bi li war ko jox rek ki nga xam ne moom mooy le général Jean Baptiste Tine bi nga xam ne moom la ñu tabb ci bopp boobu li fan yi ñu génn rek nit ki juróomi fan ci weeru avril sax lañuy wax gannaaw ba ñu fësali liste euh, ñi nga xamné ñom gouvernement bu bess bi et donc ñu toll rek ci euh, ñaar fukk ak juróomi ministre ak juróomi secrétaire d'État gannaaw euh, ki nga xamné moy premier ministre ak le directeur de cabinet donc du chef de l'État Mary kon ñu mëna japp né ne lek lekk euh, ay simili yu néew a donc euh, dinañ euh, fi dalal file ci salle de conférence bu ministère de l'intérieur ñaari kilifa yi jeurign bi nga xamné mo nara nar a jébbal lengay bi ko nar jël di le général Jean-Baptiste Tine en soldat donc à la tête du département de l'intérieur et maa rappelé koy tout à l'heure euh, mu mel ni si euh, Bi moy ñaarelu passation de service euh, gannaaw bi ñu amal ni ki ci bëcëk fofé nga xamné mom moy le tout nouveau premier ministre di Ousmane Sonko ak ki nga xamné mom moy donc donc qui dit. Siriki euh, Siliki Kaba, Monsieur Siliki Kaba mi fi mujj doon donne jëwriñ ci résumé euh, ilimaanu jëwriñ ci résumé euh, son excellence le président sortant Macky Sall donc déglu nañu kaddu yi nga xam Euh, le tout nouveau premier ministre Ousmane Sonko yëkkati na ko euh, ci euh, li nga xam ne mooy passation de service bi ñu amaloon fee ca primature nga xam ne ñu ngi ko amale nag ci ay anam yoo xam ne vraiment maanaam yàkkamti jublu ci liggéey bi moo ko lal maanaam gisuñu fa benn mumbaay mu mel ni sax ñi nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi fekkewuñu dañu leen euh, xaarloo rek ñu def ko ci na mu gën a sobre na mu gën a intime ba noppi nag génn janook taskatu xabaar yi yëkkati ay kaddu donc moom ilimaanu jëwriñ ji Ousmane Sonko xam leen nag jamono ji ci liggéey lañu ñu gën a focaliser wu mu mel ni dañ leen ni yàkkamti leen tax euh, yu bëree bëri daal mënuñu ko boole ci mbir yi bëgg ko def rek mbiru fast track mu mel ni file également ci euh, ministère de l'intérieur boobee melokaan également lañ fi gis ndax euh, mbir yi nar nañ ko doxale ci anam joo xam ne nu mu gën a yememaay rek nu mu gën a sobre nu mu gën a dale rek mu gënal leen

Donc, je le disais tantôt, un nouveau gouvernement a été formé donc, le 5 euh, avril 2024 euh, avec donc euh, le Premier ministre Ousmane Sonko qui a décliné sa liste avec 25 ministres et 5 secrétaires d'État à savoir donc euh, Madame Yacine Fall, qui est nommée donc ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Le général Biram Diop, qui a été nommé donc ministre des Forces armées. Monsieur Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des général Jean-Baptiste Tine, qui hérite du département de l'intérieur et de la sécurité publique, qui va dans un instant donc euh, euh, prendre le témoin des maires de son euh, prédécesseur d'aimer de M. Mohamedou Mahtar Sissé, Alors que euh, pour le ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, c'est M. Biram Souleyop qui va désormais donc prendre les rênes. M. Abdurrahman Sar se chargera de piloter donc le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. M. Cheikh Diba et les ministres donc, euh, des Finances et du Budget. Le nouveau ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens s'appelle M. Malik Ndiaye, plus connu sous le nom de El Malik, un membre de PASTEF, euh, donc euh, chargé de la communication, de la formation politique et M. Daoudangom va hériter du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. M. Ahmed Moustapha Ndiaksar est nommé tout nouveau ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du euh, euh, gouvernement. M. Amadou Moustapha Ndiak-Sar, c'est ça. Euh, M. Charles et nommé lui ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. M. Alioun Sall, hein, précédemment député hein, au niveau de la diaspora, et nommé ministre de la communication, des télécommunications et du numérique. M. Elage Abdurrahman Diouf et le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui succède donc au professeur euh, Moussa Baldé Monsieur Sérine Gaye Diop est nommé ministre de l'Industrie et du Commerce, qui succède donc euh, à Mustapha euh, Diop. Madame Fatou Diouf est nommée ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires. Madame Maïmouna Dieye est nommée, elle, ministre de la Famille et des Solidarités. M. Yankob Djemme est nommé ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les euh, institutions. M. Balla Moussa ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires. M. Mustafa Mamba Girassi est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. M. Ibrahim Si, quant à lui, est ministre de la Santé et de l'Action sociale. M. Olivier Bocal est nommé ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public. Madame Khadidienne Gaï, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Monsieur Mabou Diagne est nommé ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage. Monsieur Alioun John est nommé ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire. Et à la 25e donc, place, il y a Monsieur Muntaga qui est nommé ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Et pour ce qui est des secrétaires d'État, il y a M. Amadou Chérif Diouf, nommé donc secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. M. Ibrahim Akiam, secrétaire d'État au développement des petites et moyennes industries, c'est ça, petites et moyennes industries. M. Mohamed Talandaou est le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement. Monsieur Alphaba, secrétaire d'État aux coopératives à l'encadrement paysan, et Monsieur Bakarissar, qui est le secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique. Et donc c'est la liste, la liste du nouveau gouvernement Voilà. Vous venez donc euh, de l'entendre. Les 30 autorités récemment nommées dans le nouveau gouvernement euh, du Premier ministre Ousmane Sonko qui avait également sous ce rapport demandé au ministre donc, qui avait déjà avait donc déjà un poste électif de 10 sur soir donc, en l'occurrence, Biram Souley Diop devra s'y confirmer également le député de la diaspora Ali Oussal qui a été nommé donc ministre de la communication qui va devoir également ce soir à son poste de député waaw niñ koo xamee rek jëwriñ ji nga xam ne moom mooy euh, ilimaanu jëwriñ ji sax lañuy wax di ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko la mu xamle woon moo di rek euh, képp koo xam ne yor nga ndomb tànk euh, boo xam ne rek askan bi la ko dénk mu di rek euh, cumul de mandat électif moom dafa xamle rek ne euh, danga koy jébbal bu fekkee da nga am ndomb tànk jëwriñ loolee tax nag gannaaw ba mu tabbee ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, jëwriñ yi daf leen xamal ne rek képp koo xam ne rek am na ci ndomb tànk boobu rek war nga ko teggi ci loolee sax la ñuy xaare ki nga xam ne mooy Birame Souleye Diop nga xam ne moom euh, gannaaw euh, ndomb tànk maire am député la it ngir rek mu jébbal euh, li nga xam ne moom mooy ndomb tànk boobu le waaye it euh, euh, ki nga xam ne mooy Aliou Sall te nekk ci diaspora bi moom it ñu noome ko jëwriñ amaana ñeneen ñoo xam ne xëy na ñoom it ñàkkul ñu am ay ndomb tànk di leen askan bi dégg laata ñu di leen euh, noome rek li nga xam ne ñoom ñooy ay ministre mu mel ni nag mbir yaa ngi Kir Tambali, parce que ñuy gis boobu ba les autorités qui entrent dans la salle, qui prennent place. voilà, les autorités qui continuent de prendre place dans la salle. Et notez que Monsieur le ministre est arrivé euh, dans les locaux du département, Monsieur Jean-Baptistine, qui a été accueilli également par euh, Mohamedou Mahtar Sissé voilà donc euh, ma euh, euh, donc le ministre hein, le ministre de, l'intérieur le tout nouveau ministre de l'intérieur monsieur Jean-Baptiste Tin, le général Jean-Baptiste Tin, nouveau ministre de l'intérieur et de la sécurité publique est euh, arrivé dans les locaux euh, du ministère de l'Intérieur. Il a été accueilli euh, par euh, donc son prédécesseur le ministre Mohamed si Sissé. Et on aperçoit donc euh, le gouverneur de Dakar, Alassane je disais tantôt que nous apercevons donc euh, M. le gouverneur euh, de Dakar, Alassane Sall, voilà, qui va prendre place pour euh, cette passation de témoins entre les deux autorités, Monsieur Mohamedou Mohtar Sissi et le général de corps d'armée, Jean-Baptiste euh, Tin. Et on continue de voir les autorités rejoindre donc euh, euh, la salle de conférence. kilifa yi nga xam ne nag ñoo ŋànk département bi nga xam ne moom mooy ministère de l'intérieur boobu ba tey ñu ngi teew euh, ak si euh, euh, nga nag salle de conférence bu makkaan du département du ministère de l'intérieur ngir teewee effectivement li nga xam ne nag moom mooy jibbalub yi nga ba

Ah, vraiment euh, kujje kujegi ak ñi nga xam ñoo euh, euh, le régime de du président Macky Sall euh, le président sortant hein hamne ñu xam ne ne jamono yi mujj nak ba mu joggé Sénégal mu ngi won feulé nga xamné moy Arabie Saoudite dal fa amal umra waye ñu xaarandi di ko galma nga xamné également euh moy Maroc fa mu mujjé donc euh, nar fa euh, son excellence le chef de l'État le président sortant Macky Sall gannaaw Mohamed Benko, ko ba mu euh, donc son successeur dit son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye le nouveau chef d'État du Sénégal nommé donc élu hein, élu Autant pour moi, donc euh, au lendemain de la présidentielle, donc le 25 euh, mars, ñëpp d'accord ni euh, daal dina jëraw gàddu gi ci présidentielle mon moom Bassirou Diomaye son excellence ci wàllu boppam Ah, gannaaw bañ ko solele bubub njiitu réewam ni le 2 avril bi ñu wees ah, ca ngon sa ca guddi sa daal dina fësal eh, donc eh, jëwriñ kam ka nga xam ne la tànn ngir def ko ilimaanu jëwriñ muy rek eh, Ousmane Sonko Ousmane Sonko boobule sax te momit Eh, jébbal nañ ko ya primature makan bi nga xamné fa la wara amalé amale liggéeyam ngir piloter rek eh, li nga xamné mom moy eh, donc la politique du gouvernement ki nga xamné nak moy monsieur Sidiki Kaba moko ko lengé ni ki ci bëccëg

ak ki nga xamné mom donc euh, le général Jean-Baptiste euh, Tine Alors que le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est un soldat, un soldat vraiment dévoué. Et comprendre que depuis son entrée en service le 1er septembre 1981, le général a gravi tous les échelons. Il est passé sous lieutenant le 1er octobre 1984, lieutenant en 1986, capitaine en 1991, chef d'escadron à partir de 1997, puis a été nommé lieutenant-colonel en 2003 et colonel en 2006. Euh, euh, euh, muy un parcours vraiment extraordinaire du tout premier ministre de l'Intérieur Oui, un parcours élogieux du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Donc depuis euh, sa nomination de colonel en 2006, il lui a fallu donc euh, sept longues années avant de devoir atteindre le sommet de la hiérarchie militaire en tant que général de brigade il rejoignait ainsi les généraux de brigade Ousmane Djei Maïsegna et Cheikh Sen après 38 ans de loyaux services. Le général Jean-Baptiste Tine est né le 4 septembre 1961 à Thiès. Il est diplômé de l'école de guerre. C'est un diplômé de l'école de guerre et il est un chef aimé et respecté par la jeune garde de la marée maréchaussée grâce à ses qualités humaines. Il est très proche des hommes, en particulier des jeunes gendarmes qui le respectent et l'admirent. Je le disais tantôt, c'est un diplômé de l'école de guerre la prestigieuse Académie royale militaire de Meknes au Maroc. Il est également diplômé de l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Méloun en France. Connu pour son engagement, ses compétences et sa grande loyauté, il a presque 30 ans de service à son actif. Il a occupé divers postes au sein de la gendarmerie nationale. Le général Tin à occuper des, des postes dans les unités mobiles comme dans les compagnies territoriales et a su mettre en valeur son talent et ses capacités managériales avec beaucoup de tact et de responsabilité. Entre 1986 et maintenant, le général Jean-Baptiste Tine a occupé plusieurs fonctions, ce qui lui a permis d'avoir une vision assez complète de la gendarmerie nationale, euh, commandant de la compagnie de Saint-Louis entre août 1994 euh, et août 1995, commandant de la compagnie de Giganchore entre septembre 1995 et mars 1996. Le général Tin avait dirigé l'escadron blindé de la Légion de gendarmerie d'intervention en 1989 jusqu'à. 1994. Il est revenu à la Légion de gendarmerie d'intervention en 2003 pour un, bref séjour qui n'a duré que du 15 août 2003 au 30 novembre de la même année. Momalnimum, euh, le général Jean-Baptiste tin est un soldat très dévoué, mais également euh, très compétent dans ce qu'il fait Tainuk, Momo hérité de ce département de l'intérieur ngir et yéene ko rek qui bug. ko nag ci bëgg-bëgg euh, nguur geeg régime euh, bi nga Moy oh, le régime euh, de son excellence euh, euh, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui qui piloté li nga xam le premier ministre Ousmane Sonko mu melni nak tanup ñi nga doon na casting uh, bu méticuleux ndax uh, <laughs> tok nañ 48 heures di laajte kañ la liste bi di fës gannaaw la de ya uh, bañu tabé ki nga xamné mom moy Ilimanu ilimaanu gi waye ki nga xamné mom moy le ministre donc directeur de cabinet du chef de l'État Mary également le secrétaire général euh, de la présidence euh, euh, Omar Sambaba a une personnalité a njëkk table le régime bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye doon xaarandi la liste du gouvernement des ministres nous le 2 le 3 le 4 le 5 nous avons dal di dans la soirée et nous avons doon euh, une enquête de moralité pour nous doon def ci personnalité yi nga euh ñom euh, ci le choix pour rek euh, piloter yenn euh, département yi nga département qui a des na fa am euh, compétences hein, des personnalités vraiment compétentes il redresser donc euh, le Sénégal jéem a taxawal ak a doxal li ñu duppe la rupture ndax bu ñu fàtte ne agenda wu rupture boobu sax moo tax sénégalais yi ñoom daldi di leen dénk réew mi. Mhm. muy lu ama am solo. Eh, jamono ji nag. donc euh, lu ñu mën a jàpp rek mooy que ba ñu jógee ci tabbub euh, jëwriñ yooyu le ñu jébbal leng yi rek euh, mu mel ni si ñaari jëwriñ tey ñoo nar a jot seeni lenge ki ci njëkk jot na bosam ba ba noppi muy élimaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko buñ ci noppee jébbal la ki nga xam ne également mooy le général Jean-Baptiste Tin euh, Bossam moy deux ministères yoo xam deux départements yu stratégiques dans ce nouveau gouvernement ba tax na ñom seen jébbalub lenge mun taxaar xëy na weekend bi sax mo taxone samedi bi ak dimanche euh, biñu juggé ba tax mënuñu ko ci amal guddi yiñ toll nak mu melni nak nag na xeyna semaine bi laata muy jeex

et ces enjeux bari na nak priorité yi ñu sukkandiko rek ci li euh, la jeunesse au cœur des priorités la jeunesse est au cœur des euh, priorités de ce régime du président Bassirou Diomaye Yahar euh, Faye le chômage, l'emploi des jeunes, également la charte de la vie, un régime qui tend quand même à faire baisser les prix du coût de la vie Ça ne sera pas chose facile. Ah non, excusez-moi. Bonne amie. Merci. C'est ça, Mille. Grave. Une paix, Merci. Et après, tu viens interviewer la dame. Ouais, pas de soucis. Hein? Pas de soucis. Voilà je disais que ce sera pas chose facile hein, de, de trouver des solutions aux défis. Il faudra que tout le monde puisse s'impliquer, à commencer par euh, euh, le chef de l'État, son gouvernement, le peuple sénégalais. Il faudrait que chacun mais pour euh, relever les défis que s'est fixé ce nouveau régime. Et donc comme euh, loo du Yombo dara dara atteindre objectif yi nga xam ne bile régime moom la fixé wu ngir euh, wàññi dund gi waaye euh, yaxanal li nga xam ne moom mooy euh, jënd ak jaay bi dañu jàpp ne dund gi dafa metti lool mbir yi cher courant bi facture ndox yi location bi. Euh, maanaam euh, foo laal rek daanaka euh, askanu Sénégal ñu ne la dafa metti bokk na ci également bëgg-bëgg ak aspiration ndaw ñi nga xam ne bëgg nañu xëy bëgg nañu ñàkku liggéey bi dañ ci réew mi bëgg nañu seen jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy traversé ci université yi ci daara yi ak yi ni mel ñu indi ci ay saafara mu mel ni si ay euh, jafe-jafe yu bëree bëree bëri lañu dajale rek ñoom ndaw ñi bëgg Euh, le chef de l'État son excellence le président Macky Sall et et tout voilà Vous m'avez ni lolé du Yombu. ngir ñu indi ci saafara ndax pour mu am rek faaw ku nekk dugal ci loxoom ña koy sàkku waaye it ñi ko bëgg saafara ku ci nekk daf ci war a am taxawaay daf ci war a implication responsabilité bu ko defee rekk ñu yëkkantee ndoo Dal di Oui je crois que la salle est pleine la salle est actuellement pleine y attendant tranquillement les deux personnalités, les deux autorités qui ne vont pas tarder à donc, entrer dans la salle, dans quelques instants, je crois. que les derniers réglages sont en train de se faire. Nous en sommes au dernier réglage avant que les autorités ne puissent venir dans la salle et procéder à la cérémonie de passation de service. Ce sera dans quelques minutes. Et les généraux qui sont présents également au niveau de notre droite. Les autorités également du département à notre gauche sont également présentes. On peut reconnaître M. Chandé Lafal de la Direction Générale des Élections voilà. Dans quelques minutes, dans un instant, Moumelni, Nyari euh, ni ñaari Axi yi ki nga xamné mom moy mooy mahtar Cissé bi yoron lenge yi nag fi ci euh, département bu ministère de l'intérieur fas yéene euh, jébbal yi ki nga xamné mon moy rek euh, le général Jean-Baptiste Tine. on a le général Jean-Baptiste Tine donne un soldat donc à la tête euh, du département de l'intérieur. facile piloté et coordonné les actions à la tête de ce département de l'intérieur. white ganao euh, gannaaw lépp de rappeler sans ko nous rappelé qui rek ñu xam également durine euh, Jidi. Euh,

muy loo xam Nous, nag askanu Sénégal yépp nag salué ko ndax euh, élection yi des postures euh, républicaines avec notamment des messages de félicitations qui émanaient des rangs des candidats à la présidentielle nous avons candidat des messages de félicitations qui nga euh, euh, le nouveau chef d'État son excellence euh, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a Bobo proclamé gu résultat provisoire gannaaw loolu nag gis nañu ne élection yi amul benn yoon contestation amul benn contestation buñ ci relever bàyyeekoo ci way politique bu taxaw ne euh, am na lu ci manqué wala am na loo xam ne war nañ ko cee gën a yokk mu mel ni donc c'est une élection qui s'est déroulée dans les meilleures conditions gannaaw ne sax euh, ci ndoortel li ñu ci bëri ñu ngi doon xultu ak coytu di wax ne ñoom euh, élection yi euh, naxta jaar yoon doon dànkaafu sax vraiment ñoom ñi nga xamné dem nañ sax bay dankafu euh le régime sortant euh, ci organisation bi mais mu melni ni il y a eu plus de peur que de mal que la présidentielle s'est tenue dans les meilleures conditions lañ ci doon ragal yépp ndax mu jëw ci am lépp mujj jaar yoon ñu rafetlu ko rafetlu ko gannaaw fii ci réew mi ci àdduna bi yépp de wërëngal këm ndax mu euh, le Sénégal reste quand même une vitrine de la démocratie dans le monde un modèle à copier

Euh, institution Bowie dit euh, conseil euh, constitutionnel c'est une clairvoyance nous nous ñu situation binimel. ni malgré qu'il faut regretter des faits qui se sont déroulés des

la cérémonie de passation de service. Madame, Messieurs, sans plus tarder, nous allons démarrer la cérémonie. S'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Nous allons démarrer la cérémonie. Monsieur le, ministre de l'Intérieur sortant, Monsieur le ministre de l'Intérieur entrant, Monsieur le secrétaire général du ministère, Messieurs les généraux, messieurs les directeurs généraux, monsieur le gouverneur de Dakar, madame, messieurs les directeurs du ministère, honorables invités en vos grades et qualités. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de passation de service entre les deux ministres de l'Intérieur, cérémonie qui va se dérouler en deux étapes. Nous allons assister dans un premier temps à l'allocution des deux ministres de l'Intérieur. À la suite de ces allocutions, une remise de cadeaux au ministre de l'Intérieur sortant clôturera cette cérémonie. À présent, sans plus tarder, nous allons inviter respectueusement M. le ministre de l'Intérieur sortant à bien vouloir prononcer son allocution. Allô, oui, c'est bon. Je dis, on avait débuté avec le carême et on finit avec le, ramadan. Donc ça veut dire que ça n'a pas été long. J'espère que ça a été bénéfique, en tout cas pour le, pour le pays. Et quand je suis entré dans cette salle il y a un mois exactement, le lundi 11, j'avais dit qu'en parcourant le couloir, j'étais en train de repérer la place où figurera ma photo. Il y a une galerie des anciens ministres <laughs> où il y avait 29 portraits, je pense. Donc euh, d'âge, préparez une belle photo quand même, je ne suis pas beau, mais débrouillez-vous pour relifter la photo. Même si c'est un mois que j'ai une belle photo dans cette galerie. Hein. Monsieur le ministre de l'Intérieur euh, et de la Sécurité publique, général de corps d'armée Jean-Baptistine, cher aîné, cher grand frère, monsieur le secrétaire général du ministère, Aline Ragnan, monsieur le gouverneur de la région de Dakar qui Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale, mon cher Seydou Bokar, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, il n'y a pas de dames, euh, à part Madame Fatoufal, donc il n'y a que des officiers généraux, il n'y a pas encore de dames. Euh, le général Ndoye qui commande la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Tiaka Tchaoulu, lui-même, le SICO, mais également tous ces généraux déguisés en civil. C'est le fameux camouflage. Hein. Mais moi je vous reconnais, hein certains à cause des cheveux comme le général Sec, <laughs> d'autres à cause de la moustache comme le général Chersen, d'autres à travers le bonnet comme le général Abdoulaye Fall, et même ceux qui sont au fond comme le général Côte des je les reconnais tous. Hein. En tout cas, je vous salue avec beaucoup de respect. Ça veut dire que l'armée mon, mon, et nous sommes honorés de vous accueillir dans cette salle ce parterre de, généraux. Très honoré de vous recevoir, vraiment. Soyez la bienvenue, les bienvenus ici. Monsieur le, directeur général des élections, monsieur le directeur général de l'administration territoriale, mesdames et messieurs les directeurs, chefs de service, éminents membres de nos familles respectives ici présents dans cette salle, je voudrais, à l'entente de mon propos, naturellement renouveler mes sincères remerciements au président de la République Macky Sall pour la marque de confiance qu'il m'a exprimé en tant que chef de l'État à mon nom ministre de l'Intérieur dans un contexte tendu, en m'instruisant de veiller à la régularité et à la sincérité du vote. Je remercie naturellement les nouvelles autorités pour la qualité des échanges empreints de cordialité et de responsabilité que nous avons eus durant le temps certes court mais enrichissant passé à la tête de ce ministère. Personne ne pouvait il faut le dire, présager de l'avenir du processus électoral et du destin de la nation au moment où les candidats s'alignaient, il y a juste un mois, pour solliciter la confiance des Sénégalais. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter toutes les équipes mobilisées de la Direction générale des élections, de l'administration territoriale, pour cette noble tâche au service du peuple, seul souverain dont le bien-être justifie notre engagement. Vous me permettrez également, une fois n'est pas coutume, de saluer le sens des responsabilités des médias, souvent critiqués lorsqu'ils sortent de leur cadre normatif professionnel, mais qu'on oublie bien souvent de remercier lorsqu'ils font un travail propre et utile pour le pays. Le premier critère de la performance dans ce secteur électoral notamment, c'est la transparence. Et la, bonne, la transparence, sa condition, c'est la bonne information. Vous y avez largement contribué. Merci pour cela. Permettez-moi aussi de, sans hésiter, nous pouvons dire que malgré les scénarios les plus pessimistes envisagés et heureusement déjoués, que c'est la nation qui s'en sort regaillardie. Il s'agit indiscutablement d'une victoire de la démocratie sénégalaise solidement renforcée dans ses fondements avec un bilan impressionnant, zéro contestation. Cette victoire dont nous pouvons tous être fiers et qui confirme bien que le processus tel que structuré dans son organisation et sa mise en œuvre concrète est un processus réellement éprouvé. Disons-le, le système est crédible, même s'il reste perfectible comme toute œuvre humaine. Système qui, faut-il le rappeler, ne peut rester valable que par le bon choix des hommes qui l'animent. À l'image des institutions de la République, qui ne peuvent, qui ne peuvent exprimer leur plein éclat que lorsque le sens du devoir et l'éthique de responsabilité habitent les animateurs, qui sont, quoi qu'on puisse dire, des humains et donc faillibles. Le général Jean-Baptistine fait partie de ces hommes qui ont le sens du devoir et cette éthique de la responsabilité. En lui passant le témoin de cette charge, ô combien lourde, je reste convaincu qu'il saura en apprécier le poids et les contraintes. Pour l'avoir connu et côtoyé, je sais que le choix porté sur ces étoiles ne relève point du hasard. Il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, j'ai un profond respect pour l'armée et les militaires et surtout pour les étoiles. On ne devient pas général par hasard. C'est une lourde responsabilité, un long cheminement. Le premier général que j'ai aperçu de ma vie, c'était Idrissa Sassek. J'étais jugé sur un arbre pour essayer juste de l'apercevoir. J'étais en sixième au prétané militaire de Saint-Louis. Et le second que j'ai rencontré, c'était Koumba Dioufnia, il était inspecteur général des forces armées. On devait l'interviewer, Bokarnia et moi, pour le journal de l'école, mais on avait tellement peur de lui qu'on était à 3 mètres. Il nous a dit, jeune homme, rapprochez-vous pour que je puisse vous parler. <laughs> Donc, profond respect pour, pour vous et ce que vous représentez et pour votre cursus, mon général, et nous avons confiance. Je voudrais juste rappeler que ces dernières semaines, on a évoqué souvent le ministère de l'Intérieur sous l'angle des, urnes, des bulletins de vote, des bureaux de vote, donc des élections. Ce qui fait d'ailleurs que la DG est la direction la plus médiatisée et je salue le professionnalisme des hommes et de son directeur. Hein. Mais il faut rappeler que le ministère de l'Intérieur est aujourd'hui intérieur et sécurité publique est d'abord celui de la sécurité intérieure, de la sécurité publique et de la police administrative. Ces aspects fondamentaux, mon général, qui permettent de prendre en charge la sécurité et la protection des personnes et des biens, ne vous sont pas inconnus, vous l'ancien haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire. Les nouvelles menaces dont vous êtes bien conscient se déclinent en péril de tout genre, et notamment la cybercriminalité, les nouvelles formes de terrorisme, la sophistication des trafics, des, des menaces de l'âge présent et futur qui interrogent les vieux référentiels de lutte et appellent une adaptation continue des formes de lutte. Le ministère de l'Intérieur, Monsieur le ministre, est aussi celui de la protection civile, avec une direction dédiée et avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, dont la devise résume toute la noblesse de la mission, sauver ou périr. C'est dire que le ministère de l'Intérieur est au centre de l'État, mais est aussi le cœur de la nation. L'administration territoriale, sous votre commandement, est un des cordons qui vous garde liés de façon quasi ombricale aux recoins les plus éloignés du pays. Je sais que vous saurez établir une communication positive avec celle-ci pour améliorer le service public à ce niveau. Ce service public de proximité auquel euh, l'Agence pour la sécurité de proximité contribue. Je suis du reste convaincu que le sacerdoce du ministère du culte, parce que nous sommes également le ministère du culte, sera pleinement rempli. Vous qui êtes imbu des questions religieuses, je vous connais un tout petit peu. On ne connaît jamais assez un homme de votre dimension. Je connais votre inclination, inclinaison plutôt personnelle, que ceux qui vous connaissent aussi pourront confirmer. Je connais votre curiosité et intérêt pour les questions religieuses. Donc je pense que ces atouts seront à l'image de ce que le premier président de la République du Sénégal a fait, un atout majeur pour le Sénégal, pays de dialogue interreligieux et interconfrérique. C'est ça le Sénégal. Nous sommes 95% de musulmans. Nous avons eu un premier président qui a passé 20 ans à la tête de l'État. Il était chrétien, donc de la minorité. C'est ça le Sénégal, c'est ça notre force. Il faudra garder cette force. Donc vous êtes bien à votre place, à ce ministère, pour aider à renforcer ce lien social. Je m'avais donc, euh, pour clore mon discours, Monsieur le ministre, vous confiez cette famille aux combien vaillantes ma famille maintenant, celle du ministère de l'Intérieur.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 En tout cas, vous pouvez trouver auprès de moi toujours une oreille attentive pour apporter une modeste contribution et vous aider à remplir cette tâche délicate que le président de la République vient de vous confier. Que Dieu bénisse le Sénégal. Donc pour Bagna, nous paraît nous m'avons may wolof nous tenons deux minutes rek wolof comme ça presse bi yóbbaale ko benn yoon ñuy sant yàlla julli ci sant mag ñu baax ak nit ñu baax ñi ci senegal yëpp nga xam ni seen barke ak seen leer moo tax Sénégal doon lu mu doon di gërëm di sant mbokk yeeg xarit yeeg ñëpp di gërëm président Macky Sall bu ma nommé woon ministre de l'intérieur tey def nekku fi mu dem ba ma mën fi toog tey di wax kóllëre ginnaaw lay lay fayte sant ko gërëm ko ci ndax ay Sénégal yu bëree fi nekk war ko mën a yore bu mu mettee mu xalaat ma ci wow ma fi ma nangu fi ñëw ci condition bi nga xam ne xëy na suma mbokk yu bari sax du ñu waxoon ni yow da xaru man leen comme tant am na soldaar yu nangu joxe seen bakkan bàyyi nu dem nu joxe nu itam suñu bos rek ndax comme loolu la réew mi laaj fu mu toll woon nu nangu fi ñëw yàlla def ci sutura li fi xew ci jamono élection boobu nag bu nu jàll kook jàmm mën tey di ko wax du du ngóora ndimbalu sunu borom la ndimbalu yàlla moo am yàlla def élection bi jàll ci jàmm nu voté jàmm yàlla jox réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu koy ñaanal yàlla mu jik ko jig réew mi te noon nun ko ñaanee woon ci njëlbeen bi keroog bu ma voté ba pare loolu laa ñaanoon yàlla na yàlla jox réew mi ku gën ci nun nanu ko tànnal def ko ci xolu nit ñi mu tànn ko parce que réussir nun ñoo réussir donc nun ko ñaanal mu réussir nu taxaw ko pour mu réussir nu am ci yaakaar nag ci pàcc bi mënu dénk ndax ku nu fi wutu yaakaar nun lu mu ciy mën man mi fi dem mi mënuma ko ci muy général Jean Baptiste sunu mag

xam-xam bu mat sëkk bu war a tax mu mën a téye aspect boobu yeneen aspect yi nga xam ne moo ëmb ministère bi moo xam wàllu élection la moo xam wàllu diine ji loolu ku nekk ci Sénégal rek war nga ko mën a gérer ndax su dee élection yi am na direction bu koy gérer ba bu leneen di ñëw ñu xam ne loolu la autorités yi def nu nu jàppe ko noonu mais wàllu diine bi moom yaakaar naa moom fu mu juddoo yaroo fa war na mën a xam xam na diine parce que nitu diine la dina mën a xam xam na réalité Sénégal war na ci mën a taxaw taxaw bu rafet ba Sénégal kon ne nekk ci jàmm ndax loolu mooy Sénégal nuy fàttali toujours ni Léopold dal Senghor moo njëkk jiite Sénégal chrétien la woon jiite na ko ñaar fukki at di chrétien jabaram di chrétien te indiwul benn coow ci dëkk bi ab Abdou Diouf mu ci toppoon jullit la woon soxnaam di woon chrétien muy lu rafet indiwul coow Abdoulaye Wade mi ci topp jullit la woon soxnaam di chrétien di tubaab indiwul benn dara indiwul benn jeexi jaaxa ci dëkk bi Sénégal ngay dem Joal Fadiouth bu mu moom xam naa sorewu fa fekk fa ay armée yi nga xamni julit da fay teud catholique tëdd fa soo demee Casamance am na fa loolu mooy Sénégal lolu moy nation sénégalaise lolu moy sunu force donc mon présence am fii symbole le pour gëna dëgeural lolu pour gën ko firndel pour wane ne nun benn nation nunu certes en construction waaye ben nation nunu donc diko dalal diko ñaanal jamm di ko fi ñaanal euh, ndam di ko wax ni mën na compter ci administration bu baax bu mu fi fekk bi man in jotuma fi indaale kenn ndax donte ne amoon naa jot bi sax man tàmm may dem fenn di ñëw di bouleverser noonu rek donc collaborateurs yi mu fi fekk laa wóolu rek di liggéey ak ñoom ba yàlla def résultat bi donc résultat bi su amee seen résultat la ñoom seen ndam la ñoom ndax ci ñoom laa wéeru ba li nit ñi di wax tey résultat bu rafet la am mais dellu di wax rek loolu ndimbalu yàlla te ndimbalu yàlla nag ñaanu mag ñi baax jeen ci jiitu donc di sant di gërëm kilifa diine yëpp ci seen ñaan ci seen taxawu li ma yëg ci lu nu wàcc ci kaamil ci Sénégal pour jàmmaam élection yi jàll ci jàmm xaw ma nu mu toll te li ma yëgul xam naa moo ëpp ku nekk ñaan nga ci sa diine ak ci sa gëm-gëm pour yàlla def jàmm ci réew bi ndax Sénégal jàmm moo nu jik yàlla na jàmm continuer ci réew mi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di kontaan nag ci teewaayu kilifa yi fi daje yi tey parce que lii day wane ni mandarga ku fiy ñëw keet ku baax la parce que li ma gis tey ci ay kilifa ci salle bi gëj leen gis ci daje ci qualité nombre de généro yi rek macha allah du ma ci kenn mën nunu fukk te loolu day wane ni donc moom fu mu jógee fa naw nun ko respecté nun ko jox nun ko cër yéen moom tam ku baax la ndax moo leen invité dalal leen donc ñu ngi ciy kontaan di dajeeg ñoom fii di ci gis sunu ay mag yu baax yi nga xam ne liggéey nun Sénégal yu nekk muy occasion nu rendre leen hommage ci liggéey boobu ngeen defal Sénégal Léopold xàmmewuma la woon ancien DG de la police ak Codé Mbengue maa ngi leen di dalal di leen saluer bu baax

Monsieur le ministre de l'Intérieur sortant, Madou Maktar Sissé, mon jeune frère et mon ami, Monsieur le secrétaire général du ministère, Messieurs les directeurs généraux de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, Madame, Messieurs les directeurs de cette même administration centrale, Messieurs les officiers généraux messieurs les anciens directeurs généraux de la police nationale, monsieur le général commandant la BNSP, monsieur le général coordonnateur du SICO, mesdames, messieurs, honorables invités. Je suis particulièrement heureux de me retrouver aujourd'hui à cette place très prestigieuse, la place Washington, siège du ministère de l'Intérieur, sur le boulevard de la République, à l'occasion de la passation des services entre l'inspecteur général d'État Matar Sissé et moi-même. Une cérémonie de passation de services représente en quelque sorte un temps de respiration pour une administration dans un état de droit, parce qu'elle consacre la continuité du service public. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, le maître des destins, qui nous donne aujourd'hui l'occasion d'être présents en ces moments. Je voudrais naturellement adresser mes vifs et chaleureux remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui m'a fait l'honneur et la confiance de me confier la charge très importante, mais aussi exaltante, de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je ne ménagerai aucun effort pour continuer à mériter sa confiance en sachant que pour cela, je peux compter sur l'engagement et l'abnégation des collaborateurs ici présents. En prenant les rênes du ministère de l'Intérieur, j'hérite d'une institution solide qui a été bâtie dans le long cours par beaucoup de générations de grands commis de l'État, qu'ils trouvent par ma voix l'expression de notre profonde gratitude. Aujourd'hui encore, ce ministère est servi par des fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, tous pétris de beaucoup de qualités et de grandes valeurs. Je compte m'appuyer sur leur expertise et leur disponibilité pour conduire les missions qui me sont assignées. Monsieur le ministre Mohamed Mokhtar Sissé, vous succédez à cette station, c'est un défi, c'est un plaisir, c'est un honneur. En effet, pour vous, qui vous connaît, vous êtes un grand commis de l'État, engagé, très perspicace, notamment dans le domaine du leadership transformationnel. La preuve, en un laps de temps très court, vous avez pu conduire avec brio les dernières opérations électorales qui, vous le savez tous, se sont déroulées dans une euh, atmosphère particulièrement tumultueuse. C'est donc euh, avec un certain plaisir que j'hérite de ce flambeau que je m'engage à maintenir toujours plus haut conformément aux orientations du chef de l'État, pour le plus grand succès de notre pays. Je souhaite, je vous souhaite plein succès dans vos prochaines fonctions. Je sais encore, ce sera au service de notre pays et formule des prières euh, de longévité et surtout de santé pour la suite. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le ministère de l'Intérieur est un ministère stratégique pour la stabilité de notre pays et pour nos populations. Je disais tout, à l'heure euh, euh, euh, au ministre Sissé que c'était sans conteste le premier ministère du gouvernement parce que la finalité d'un gouvernement, c'est la vie de ses populations par leur protection et leur protection contre les risques et les menaces. Et c'est ça le rôle Premier de notre ministère. En tant que ministre de l'Intérieur, mon action a vocation à participer au développement de notre pays à travers tous les démembrements de ces, de ces institutions, notamment les préfectures et les sous-préfectures. Les objectifs de notre action doivent donc nécessairement avoir une convergence avec la recherche de l'efficacité économique et le progrès social qui sont visés prioritairement par l'autorité politique. Aujourd'hui, le contexte des périls et des menaces endogènes comme exogènes caractérise notre époque, en particulier dans la sous-région ouest-africaine, et ça nous édifie sur l'importance de la stabilité intérieure qui est le premier marqueur identitaire d'un État de droit aujourd'hui. De plus en plus,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 au profit de nos concitoyens. Si vous voyez le projet euh, politique de nouvelles euh, autorités dans le domaine de la sécurité, il est beaucoup question de proximité, d'inclusion, de protection. J'appelle donc mes grands collaborateurs à travailler dans cet esprit et vous exhorte à agir sereinement dans un élan uni et solidaire pour que le ministère de l'Intérieur joue entièrement sa participation hein, dans l'exécution des politiques du gouvernement. Je compte aussi particulièrement sur l'administration territoriale, sur la police nationale, à qui je rends un vibrant hommage. Ils euh, jouent un rôle très très très très important dans la sécurité de notre pays, au prix de leur vie, leur santé. Qu'ils soient ici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 l'intervention de mon ami Matar Sissé. Merci. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Donc à présent, nous allons procéder à la remise des, des cadeaux pour le ministre de l'Intérieur sortant. On va démarrer avec le cadeau du secrétaire général. le cadeau du secrétaire général. Suivi du suivi du cadeau du directeur général de la police nationale. le cadeau de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. le cadeau de la Direction générale de l'administration territoriale. le cadeau de la Direction générale des élections. le cadeau de la direction de l'automatisation du fichier. le cadeau de la direction de la protection civile cadeau du gouverneur de Dakar. Le cadeau du, du SICO. Le SICO. cadeau de la direction des constructions. Et enfin, le cadeau de la DAGE. Madame, Messieurs, nous vous remercions pour votre aimable attention. Vous permettrez aux deux ministres de... Merci, Madame Michel. Voilà, donc euh, c'est la fin, hein, c'est la fin de cette cérémonie de passation de service à l'instant avec euh, ces présents, ces cadeaux que vous avez vus hein, avec euh, les directions qui ont pris donc la, le temps le temps quand même de remercier leur ministre sortant Mohamedou Mahtar Sissé pour euh, ce qu'il a eu à faire à la tête de ce département. Il a reçu beaucoup, beaucoup de cadeaux de la part de ses collaborateurs. Et vous l'avez entendu dans les discours, Mohamedou Mahtar Sissé, hein, qui euh, euh, se remercie, hein, qui également pense donc les défis euh, qu'ils qui s'étaient fixés ont été e atteints, notamment avec l'organisation de la présidentielle. Hein, euh, la présidentielle qui s'est très bien tenue avec... Euh, qui s'est tenue donc dans les meilleures conditions. Et, donc, il l'a dit, il l'a donc dit, voilà euh, Mohamedou Mahtar Sissé euh, qui pense également que euh, s'il a réussi donc à organiser une élection qui s'est déroulée dans les meilleures conditions. C'est grâce surtout à la volonté du, du Tout-Puissant, Dieu, et donc qui a souhaité euh, plein succès à son euh, successeur, euh, le général Jean-Baptiste Tine, qui a hérité des rênes du département de l'intérieur. Monsieur Jean-Baptiste Tine également qui compte inscrire son action sur l'humanisme hein, en appelant quand même à humaniser les actions et vraiment au respect de la dignité de l'homme hein, et, à la collaboration également de, des populations. Euh, mu melni euh, gis ngeen ko euh, niki ay simili yu néew bi yëkëté jotaay bi digënté ki nga xamné moy le général Jean-Baptiste Tine don jot lengé yi ci ki nga xamné mom moy le ministre sortant de l'intérieur du Mohamedou Mahtar Cissé ñu am ay kàddu yo xamné yëkëti nañ ko fi ci li nga xamné moy cérémonie de passation de service boobule ñu amal niki ay simili yu néew. et donc deg ngeen momadou Makhtar Cissé mom ci ay cadeau mu rafetlu euh, surtout djego euh, yi nga xamné def nañu ko euh, soxal li nga xamné mo doon défi yi saxone ñu tabb ko ci ndortelu kaddem sax mi ngi mu ngi wax naan ci ndortelu koor gi lañ ko tégon fi té ci jéxantelu koor gi danaka la nek di delo lenge yi ah muy lo xamné di ci remercier également njitu rew mi nga xamné moko tégon ci

ki tabb bo nga xam ne nañ ko euh, mu doon euh, njitu euh, ki nga mom moy donc li nga xam mom moy euh bop ministère de l'intérieur et donc ñu gis que né mom Jean-Baptiste Tine fa mu inscrire action am rek moy ci gën a jubboog askan bi ci liggéey bi ah woolu na sax gi nga xam ñom ñoo nank département ministère de l'intérieur ñu gëna humaniser les actions manam euh, di jëf-jëf yoo xam rek euh, day euh, mengok manam ak ak yelleefu doomu adama et donc jàpp na ne sax engagé wu na pour rek tenir ay waxtaan ay concertation ak les cadres du département bu ko defee rek ñu mëna gëna xam nan lañuy gëna ñongalé liggéey bi ba mëna relever les défis yi nga xam mo nek seen kanam jëm rek ci kaaraange bir réew mi Euh, ak it euh, bi nga xam ne euh, gis nañu ne sécurité daf ci am solo lool lool lool jàpp na ne dafa jot vraiment ñu gën a humaniser li nga xam ne moom mooy doxalin bi ba liggéey bi mën a yemb. loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ leen fi indi indiloon file nga xam ne moom mooy ministère de l'intérieur jox leen dig daje suñu yeneen i jotaay jërëjëf.